chemin de la libération dem nañ ci ay kër yu bëree baree bari ndax ñëpp xam nañ ne li ñu jàpp ëpp na junni nit ñi am mbébétu wër lu mat junniy njaboot tey nag ñu ngi ci golf jot nañu defagum gën gaa néew juróom-ñaar yu famille wala juróom-ñett dafa nekk lu am solo ndax Sénégal lay dëkk boo xam ni déli def fi yomb ndax que yi participation à une manifestation interdite trouble à l'ordre public surtout rek du di du di des di di di procureur découvrir ne dugalal nañ la ak ne mën arrêter patriotique bi mën nañu arrêter président Ousmane Sonko ak projet wu Pastef moom moo leen pousser ni dañoo nekk Sénégal ñaar ndax ak soxor ko lal arrêter projet contraire bi lañ def dañu booster projet noo ñëw ñu dénk la réew fukki at ak ñaar ginnaaw ba nga nekkee ci beneen régime bi juróom-ñetti at nii ñaar fukki at. mënuloo soppi nekkinu askan wi ba askan woowa mujj laa jépp jéppi ñi nga àndal nga mere askan wi ne naa leen tëj naa leen tëj dinaa leen duma par force bi ngeen ma bëgg par force dinaa leen jiite wala par force dinaa leen wax kan moo leen di jiite loolu moom mënul mënul nekk na noppalu jàpp président Ousmane ko tas Pastef yaakaar ne tas nga ko fekk da nga ko gën a dugal ci xol yi jàpp ay responsable yi Pastef Amadou Ba ñi jàpp barki démb tey mi waroon a fekk Abuja mu yóbbu réponse ci recours bi parce que Abuja dafa war a statuer fi ne foog ñu dem wutaw lay jéem a xool lan la ñit ñi mën a wanaasu ñëw ne lii lañ koy toppee mais xamuñu ko ñun ñii ñëpp bi ñu jàppee c'est comme ça dañ lay jàpp ba pare di woote téléphone pour ñu wax leen lan ngeen lan ngeen def des victimes, mais aussi aux familles des détenus. Partout où on passe, c'est le désarroi, c'est l'amertume, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment on peut arrêter des jeunes qui n'ont commis aucun délit si ce n'est de se battre pour un projet qui peut sortir le Sénégal du gouffre. Nous invitons le président Macky Sall de revenir à la raison. Ils ne peuvent pas excéder 2024. Mais cette génération-là se bat pour d'autres générations, pour 50 ans, pour 100 ans. Parce que tout simplement, après 12 ans de règne, le chômage a quitté au moins dans les 16 à 17 pour atterrir à 23 ou plus. La vie devient de plus en plus chère. L'emploi, comme vous le savez, les jeunes sont en train de prendre les embarcations de fortune pour rejoindre un soi-disant Eldorado parce qu'ils n'ont plus d'espoir dans leur pays. Tout membre ou sympathisant de PASTEF est en sursis aujourd'hui. Le président Ousmane Sonko est arrêté injustement, arbitrairement. Le secrétaire général du parti est arrêté injustement. Le vice-président du mouvement des jeunes, Fadi Louka membre du mouvement des cadres, coordonnateur du Nemekoutou. Nous pouvons passer toute une journée à lister ce millier de prisonniers politiques qui n'ont commis aucun délit si ce n'est se battre pour un avenir meilleur. Encore une fois, rien ne pourra arrêter cette déferlante patriotique. J'invite encore une fois tous les patriotes à se joindre à cette belle initiative pour faire l'ensemble des familles des détenus et montrer que Pasteur, c'est une famille. Et quand on est dans des événements malheureux comme heureux, nous sommes tous unis, nous sommes tous comme des frères, comme des sœurs, parce que tout simplement, nous croyons à un idéal qui peut sortir le Sénégal du gouffre, qui peut faire de sorte que tout Sénégalais puisse sentir qualitativement l'action du gouvernement, des patriotes, là où ils se trouvent.